au cimetière musulman de Yoff. La levée euh, du corps de l'artiste Mansour Sek s'est tenue cet après-midi à la morgue de l'hôpital Fan. Euh, les témoignages de la famille, amis et sympathisants du défunt euh, sont unanimes. Mansour sec était une icône de la musique sénégalaise africaine. En général, il a bercé des générations de par sa guitare et sa voix. Écoutons ces quelques témoignages au micro de Babakar Tambedou et Libasner ce n'est pas une icône seulement du Sénégal, hein. c'est une icône de l'Afrique. C'est l'Afrique tout entière qui a perdu l'un de ses plus grandes voix. Pourquoi l'une de ses grandes, euh, plus grandes voix Parce que Mansour s'est arrangé de telle sorte qu'il il est adoré. Il est, il est presque déifié parce que, à travers sa culture polar. Parce que vous savez, la culture polar, c'est une culture universelle. Vous allez aux États-Unis chez les Indiens, c'est la même culture que les Peuls. Avoir une grande générosité, euh, quelqu'un qui est extrêmement loyal et fidèle en amitié. Euh, une fierté pour le Fouta. Moi, euh, quand j'entendais Babamal, en vérité, c'était d'abord mon source. Mansour Gaolo. Et euh, Dieu a fait que dès notre premier contact, il a eu beaucoup d'amour pour moi et, vie, et moi aussi. Je me souviens en 2019, quand on faisait le meeting de il a tenu à être présent. Pourtant, il était encore souffrant. Un homme intègre, entier, spontané, euh, humble et euh, quelqu'un qui partage. Il partage tout, il donne tout. Euh, il n'oublie personne. À chaque fois qu'il voit la personne, il connaît le nom et le prénom. Ce qui nous lie est tellement fort parce que depuis l'enfance, on est né dans la même ville, on a grandi presque dans une même maison. lui, il porte le nom de mon oncle Mansourci et moi, je porte le nom de l'épouse de Mansourci qui est qui est ma tante, qui est la petite sœur de mon père. Et quand il chante, quand Baba dit lui, il dit en parlant de moi parce que Mansour Sek, euh, c'est un halpolar, euh, un, un, griot des temps modernes, mais aussi un professionnel de la musique, surtout de la gamme pentatonique. Donc un ami, un frère, un jumeau euh, du lead vocal du Dans le Léon, Elage Babamal. Mais aussi, euh, Elage Mansour Sek incarne la fidélité, parce que contenu de son compagnon avec mal. C'était également euh, quelqu'un qui était très résilient, euh, parce que tout le monde sait que, qu'il, souffrait d'un handicap visuel, mais cela ne l'a jamais empêché d'accomplir ses obligations, d'exercer son art, euh, au point que en, entendant sa voix, en voyant un peu comment il il, jouait aussi cet instrument qu'est la guitare. On ne pouvait pas imaginer qu'il souffrait d'un quelconque handicap. Cela veut dire aussi que c'est une leçon de vie qu'il laisse à tous ces gens qui peuvent souffrir d'un handicap euh, physique euh, ou même mental. Sour Sec, né en 1953 à Guédé Village, l'ex-compagnon de Baba Mal a fait ses humanités à Podor. Le timbre de sa voix unique du Yéla est aimé de tous. Amadou Diaw nous dresse son portrait. Cette voix très connue du Yala s'est éteinte à jamais. Dans les légnons, la voix du peuple perd un de ses choristes. Mansour Dinisek a tiré sa révérence à l'âge de 71 ans. Le timbre de sa voix unique va manquer aux adeptes du Kumbali et du Palibara. Les chants de griots dont il est l'héritier sont pétris des influences, son style épousait parfaitement les musiques orientales. Sa voix coulait avec évidence et bonheur sur les mélodies et instruments. Mansour Sek, issu d'une lignée de griots et féru de guitare, a partagé avec Baba Mal, son compagnon de toujours, l'héritage musical qu'il a reçu de sa famille. Mansour Sek est né à Guédé Village dans le département de Podor. C'est au début des années 60 qu'il rencontra Baba élève de l'école 3 de Podor. Les deux partageaient la passion du théâtre et de la musique. Le jeune griot a décroché son brevet avant d'abandonner les études lorsque survinrent en lui ses problèmes ophtalmologiques en 1968. Avec Elash Babamal, Mansour Dinesek, c'est une parfaite symbiose et une grande complicité qui se développa au fil du temps. En 1974, Mansour Sek rejoint avec Babamal la troupe artistique Leslie Fouta où sont passés les artistes de renom de la culture poulard. L'ambition de Mansour Sek et de Babemal flamme au sein de cette troupe. En 1979, c'est la grande caravane Lapifuta entamée par Mansour avec son ami Babemal. Mal. Il parcourt le Fouta et traverse une partie du Mali et s'arrête en Côte d'Ivoire. En 1985, il fonde l'orchestre Lénul. Les albums Djamleli, Tan Farba Bagil portent l'empreinte personnelle de Mansour Sek, dont la voix sublime reste inséparable de celle de Babemal. Très reconnaissant à l'égard du Dandelignol qu'il a forgé, Mansour Sek le clame haut et fort. Toute ma vie tourne autour de l'orchestre Dandelignol, avait-il l'habitude de dire. Le natif de Gedemboloum Sari Libana Birom est décédé des suites d'une maladie. Il a été inhumé au cimetière musulman de Yoff. Le groupe Origine SA de par ma voix présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Et voilà, c'est ce qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Excellente suite des programmes sur la 2S TV. Bonsoir. pare ngeen ngir def tukki si